Merci beaucoup, mesdames, messieurs de la presse. Je suis le maire euh, de la commune de Tambacounda. Je suis le représentant du président du conseil départemental. Je suis l'inspecteur régional euh, des sports. Je suis le président du Conseil régional des aînés, Mesdames, Messieurs les chefs de services régionaux, Monsieur le Président de la Commission régionale des arbitres, Madame Fardou Madia, icône de l'arbitrage féminin au Sénégal, Mesdames, Messieurs les arbitres de la région de Tambacounda, Mesdames, Messieurs les responsables des mouvements associatifs, Mesdames et Messieurs en vos rangs, grades et qualités. Je voudrais tout d'abord, euh, après vous avoir accueilli et souhaiter la bienvenue, partager avec vous un sentiment de réelle fierté de vous recevoir ce matin, vous en tant que symbole du mouvement sportif de la région. Monsieur le maire, euh, monsieur le président de la Ligue, le prétexte, c'est la réception du trio arbitral qui a officié pour la finale de cette année de notre championnat de la Coupe du Sénégal, plutôt, excusez-moi. Mais aussi d'honorer notre nièce, notre fille, Madame Oumou Bouban, qui a également officié pour la finale du championnat féminin. Certains l'ont rappelé, au moment où ces finales se jouaient, par le hasard des calendriers, nous n'étions pas présents au Sénégal. Mais de là où nous étions, au-delà du match en lui-même, l'honneur et la fierté que nous ressentions, c'était que des Tambacoundois étaient en train d'arbitrer cette finale de la Coupe nationale. Je l'ai partagé d'ailleurs avec euh, certains membres de la délégation avec lesquels nous étions et ils sentaient véritablement que j'étais habité par un sentiment de satisfaction. Et c'est de là-bas que j'avais indiqué, monsieur le maire, à mon cabinet, que si je revenais en bonne santé, une des premières initiatives consisterait à les recevoir dans l'intention de les honorer et de leur transmettre au nom des acteurs territoriaux notre sentiment de fierté et notre sentiment de satisfaction. Donc, euh, vraiment, pour ce trio composé de M. Sidi Barafal, de Tidiane Doumbia et de Félicité Baraï, complétée par notre nièce Oumou Bouban, la région vous dit merci et vous tire le chapeau. Je le rappelle très souvent, chacun d'entre nous a une idée de la mission qui lui est confiée et a une manière de remplir cette mission. Pour ce qui nous concerne, nous travaillons jour et nuit à ce que Tamba, en tant que région et en tant que circonscription administrative, soit une région appréciée par la qualité de ses ressources humaines, mais également par l'excellence des résultats que nous donnons au reste du monde. Et de ce point de vue, je peux vous dire que nous sommes satisfaits. Monsieur le Président, aujourd'hui, c'est la commission régionale des arbitres. Mais n'oublions pas, Monsieur le maire, qu'il y a juste une semaine, nous avions travaillé avec le ministère de la Culture. Nous avions même pu inviter et faire venir le ministre afin d'accompagner de manière significative le monde des arts ici à Tambacounda. Et ça va se poursuivre à chaque fois que par vos efforts, par la qualité de votre travail, vous positionnez la région de Tambacounda au niveau national, vous devenez des ambassadeurs de cette région. J'ai longtemps indiqué que quand je vois d'une artiste comme Mia Gissé être évoquée comme grande artiste au niveau national, je le prends pour Tambacounda. Quand je vois également nos footballeurs, nos sportifs arriver à ce niveau, jusqu'à intégrer l'équipe nationale, avec le jeune de Coupentoum, notamment le jeune Traoré, c'est beaucoup de fierté aussi. Ça fait partie des missions d'un gouverneur de pousser la jeunesse et de pousser ceux qui ont du potentiel à atteindre les sommets. Donc c'est avec beaucoup de fierté que nous vous félicitons au nom du CRD et au nom de l'ensemble des élus. Je profite de ce moment pour faire un tremplin et m'adresser aux collectivités territoriales. Monsieur le maire, votre jeunesse est là, votre secteur du sport est là, votre mouvement sportif est là. Monsieur le Président du Conseil départemental, c'est la même chose. Je sais que vous faites des efforts, mais je voudrais vous demander de redoubler ces efforts pour permettre à ces jeunes ambitieux qui représentent dignement notre région de pouvoir atteindre les objectifs qu'ils se sont fixés. Et je reste convaincu du fait déjà de ce que je connais de vous. Et à chaque fois que j'ai formulé en tout cas une demande à votre niveau, elle a été suivie de succès. Accompagner le mouvement sportif, accompagner les jeunes artistes, accompagner les jeunes de Tamba qui s'engagent à travailler pour en tout cas améliorer l'image de notre région. Chers jeunes, je suis fier. Et abordant la question de cette importante réunion prévue dans l'après-midi entre l'ODECAV, l'ORCAV de Tambacounda et la Commission régionale des arbitres. Monsieur le Président Youssou, je voudrais vous demander de me rapporter un résultat qui va honorer d'abord le Sénégal, mais également qui va honorer Tambacounda. Je vais parler après cette réunion au président Soumanou. Je vous demande de vous retrouver en tant que frère, de mettre de côté tous les éléments qui peuvent vous conduire à une divergence et de voir l'intérêt du sport, l'intérêt de Tambacounda et l'intérêt des deux entités. Je veux un accord avant 20 heures aujourd'hui et que nous puissions communiquer demain que les instructions données par le ministre Abdoulaye Sow en tant que président de la Ligue euh, de football amateur et le président Djedjou qui dirige la commission centrale des arbitres, que Tamba donne le premier signal de la réconciliation entre les deux entités. Et je reste convaincu que vous allez arriver à cet objectif. Monsieur le Président, Monsieur le maire, Monsieur le euh, Président du Conseil régional des aînés, j'ai demandé aux jeunes de se retrouver. Je suis absolument certain qu'ils vont se retrouver pour honorer Tamba. Et pour accompagner cela, le premier match Navetan que la CRA va officier, je désire y être présent pour soutenir les deux. Je prends cette initiative. Monsieur le Président et Monsieur l'inspecteur régional des jeunesses, de, des sports, prenez toutes les dispositions pour me préparer l'arrivée de la délégation régionale afin de participer au premier match que la CRA va officier au profit du mouvement nabétal Et je serai accompagné par M. le maire, je serai accompagné également par l'ensemble du CRD. Concernant toujours ces jeunes que nous avons félicités, seul Dieu sait. Mais si Dieu me laisse ici jusqu'à la prochaine célébration de notre fête nationale, j'ai décidé de vous décorer d'un diplôme de reconnaissance régionale le 4 avril Si je suis encore là, bien entendu, parce que, comme vous le savez, nous, tous les mercredis, on peut bouger. Et ensuite, euh, quand même, monsieur le maire, ça fait 4 ans que tu es avec ton frère. On, peut peut-être demander au nouveau qui va venir avec un nouveau souffle. <laughs> En tout cas, Président Youssou, si je suis en bonne santé et toujours présent à Tambacounda, je vais vous décorer du diplôme de reconnaissance régionale le 4 avril 2021. Je vais ensuite, à la suite du président Momodouba, au nom de la région, exprimer notre fierté et notre satisfaction à l'endroit du président Augustin Senghor, président de notre fédération, pour tout ce qu'il a fait, lui et son équipe, mais également pour les succès et la position où il a mis le Sénégal en matière de football depuis un certain nombre d'années. Mais surtout, le président Augustin, je tiens à le féliciter au nom des acteurs régionaux pour son esprit d'ouverture et pour ses qualités de manager. Donc aujourd'hui, si nous en sommes là, au niveau national et au niveau des ligues, c'est parce qu'il a une vision qui porte en elle-même le développement du football au Sénégal. À côté de lui, je ne parle pas du ministre, ça c'est une autre responsabilité que Abdoulaye Seydou a, mais nos relations personnelles d'aîné à et les relations que nous avons avec lui entre le gouverneur et président de la Ligue de football amateur, je voudrais aussi féliciter et encourager le président Abdoulaye Seydou Sow, puisque je suis en contact permanent avec eux au profit de la Ligue de Tambacounda. Et je voudrais en profiter pour féliciter de nouveau le président de la Ligue régionale de football, Mamadou Ba, dont nous suivons le parcours. Nous l'encadrons comme il l'a dit. Nous le redressons aussi quand il le faut. Et ce que nous avons comme expérience, nous le mettons à sa disposition. Mais à une seule condition, que le travail puisse permettre au football de Tambacounda de rayonner davantage et que dans quelques années, monsieur le maire, qu'on ramène le trophée du championnat ici à Tambacounda ou le trophée de la Coupe du Sénégal ici à Tambacounda. Je l'ai toujours rappelé à la jeunesse, le succès appartient à celui qui décide de le chercher. J'ai indiqué qu'aucun combat n'est perdu d'avance, sauf celui que l'on refuse d'engager. Donc nos équipes, nos jeunes footballeurs doivent considérer qu'aujourd'hui, ils peuvent être plus brillants que Sadio Mané, plus brillants que Ismaël Assar, plus brillants que les Ilimandiaï, plus brillants que tous les autres s'ils décident de mouiller le maillot et de se donner à fond. Et aucun succès ne peut être obtenu sans effort. Mm-hmm. Monsieur le Président, pour ce qui concerne l'arbitrage, moi j'ai même un peu pitié de vous. Tout le monde est content de vous, mais le gouverneur est angoissé. Les sages philosophes disaient qu'il n'est pas difficile de se hisser au sommet. Ça, vous l'avez fait. Le plus difficile, c'est de rester au sommet. Je vais continuer de prier pour vous. Je vais continuer de vous accompagner, mais tout en vous demandant d'être très attentif aux conseils avisés qui ont été donnés par le doyen Traoré et le doyen Tcherno Le succès est au bout de l'effort. Vous avez déjà gravi plusieurs échelons. Il nous faut chercher à aller encore plus loin. Cette fois, c'était la finale de la Coupe du Sénégal. Battons-nous pour être sélectionnés et aller officier dans un championnat d'Afrique. C'est ça l'ambition. Et pour ceux qui n'ont pas encore eu à officier pour cette finale, les autres arbitres de l'ACRA se battent pour venir également vous remplacer. C'est le moindre mal que je vous souhaite et en tout cas, je suis très, très fier de vous. Mesdames, Messieurs, je terminerai en m'adressant aux cadres ressortissants de Tambacounda, sans exclusive, qu'il soit ici à Tambacounda, qu'il soit à l'intérieur du Sénégal ou qu'il soit dans la diaspora. Le gouverneur vous demande de voir comment vous organisez pour accompagner nos équipes qui sont dans l'élite. Je suis au contact permanent et je sais les difficultés auxquelles ces équipes sont confrontées. Ce n'est pas la peine de dire que parfois même le déplacement, euh, on vient me voir après 18h, après 20h, je fais ce que je peux. Mais c'est insignifiant. Il faudrait que les élites de Tambacounda s'organisent à accompagner nos équipes pour qu'elles puissent continuer à briller au niveau du championnat national et au niveau des autres championnats. J'en parlerai avec certains avec lesquels j'ai des contacts, mais pour les autres que je ne connais pas, vraiment, je passe par cet appel pour voir ce qu'ils peuvent faire pour leur mouvement sportif, ce qu'ils peuvent faire pour leur jeunesse, ce qu'ils peuvent faire pour le football de Tambacounda. Mesdames et messieurs, c'est avec beaucoup de plaisir que nous avons tenu cette rencontre. Nous avons pris un certain nombre d'engagements. Nous veillerons à les respecter. Mais le plus essentiel, c'est cette rencontre de cet après-midi et je demande à l'inspecteur régional du travail, du sport, excusez-moi, d'assister à cette réunion de faciliter quand c'est nécessaire et de m'appeler autour de 20 heures pour dire que les deux entités se sont retrouvées et ont décidé de continuer leur partenariat après avoir trouvé un accord. Et si c'est trouvé, le gouverneur assistera ou présidera le premier match ici des Navetan que les arbitres de l'ACRA vont diriger. Ça fera le plaisir d'abord du président Malan du colonel Diédjou. Ça fera également le plaisir du président et frère euh, euh, euh, Amadou Khan. Je connais leur niveau d'engagement au profit de la jeunesse. Amadou, ça fait plus de 20 ans que nous sommes ensemble. Si l'accord était trouvé à partir de Tamba, je sais que nous aurons travaillé pour notre région mais on aura également soulagé ces deux responsables nationaux, à savoir le président de la CCA et le président de l'ONCAV. Et Tamba va donner le signal, Inch'Allah. Mesdames, Messieurs, on ne peut pas tout dire. Déjà, nous nous sommes euh, assis pendant très longtemps. Je voudrais vous terminer, terminer en vous disant ma totale disponibilité à l'endroit de toute la région de Tambacounda. Sa jeunesse, ses artistes, ses commerçants, ses acteurs politiques, les acteurs du mouvement sportif. Bref, de manière générale, nous vous disons notre totale disponibilité. Nous avons une mission adossée à un fil d'Ariane qui porte sur deux aspects essentiels le premier, c'est la sécurité des personnes. Le deuxième, c'est le développement de cette région. Saboudou Fodbopam, mais vous tous, vous savez que les efforts permanents que nous avons fournis pour assurer la sécurité de la région sont des efforts qui ont produit des résultats. On se déplace 24 heures sur 24 sur l'étendue de cette vaste région, ce qui n'était pas le cas. Nos biens sont préservés. Nous avons assumé notre position. Nous avons assumé également notre doctrine. Aucune pitié pour les malfaiteurs, aucune pitié pour les braqueurs, aucune pitié pour les bandes d'agresseurs qui nous empêchent de dormir. Nous leur avons mis la pression jusqu'au moment où nous parlons. Je ne sais pas demain. Mais à l'heure actuelle, nous avons la région la plus sécurisée au Sénégal. Et c'est aujourd'hui encore que nous sommes plus déterminés car nous les attendons ce qui s'est passé trois jours après mon installation à Koupentoum ne se repassera plus ici, l'assassinat du commandant Tamsir Sané. Nous avions pris cet engagement, nous y sommes. Nous les avons cherchés, nous les avons trouvés. Ceux-là ne penseront plus aller agresser une personne, du moins pour ceux qui sont encore vivants en prison et nous nous assumons. Donc, il nous faut d'abord assurer la sécurité des acteurs pour ensuite aller vers le développement. Le développement aussi, la région a beaucoup progressé. Aujourd'hui, je fais moins de trois heures pour arriver à Bakel. Doyentra, je pense que ce n'était pas le cas il y a juste quelques années nous avons beaucoup désenclavé. Les programmes de l'État ont été mis en œuvre. Tous les programmes d'urgence, aucun n'est en retard. Ça aussi, ça a été un combat permanent. À côté des maires, nous avons mis la pression de manière positive à Dakar, les coordonnateurs de programmes, les ministres les DG venaient faire ce que le président a décidé pour Tambacounda et ils sont venus le faire. Notre ville a changé. Ceux qui m'avaient accompagné quand je quittais Tamba sont repassés ici en allant à Madina Gounas pour le Dakar. Ils m'ont dit que ce n'est pas ici qu'on vous avait accompagné. Je dis que si, c'est pourtant c'est ici. Donc, il n'y a que la détermination qui permet aux sociétés d'avancer. Il n'y a que l'engagement qui permet aux villes de changer. Je voudrais en profiter pour féliciter tous les maires, ils sont 46 à l'échelle de la région. Tous les présidents de conseil départemental, ils sont 4 à l'échelle de la région. Je suis personnellement le témoin de leur engagement permanent pour solutionner les problèmes de leur commune. Parce que tous, ils ont un lieu de passage ici dans mon bureau. Je ne fais pas un mois sans que pratiquement 80% des maires ne passent ici afin qu'on trouve des solutions à certains problèmes. Et pourtant, des localités comme Dianke-Maha sont très loin, comme Kenyaba, comme Sadatou, comme Koutiaba, mais de manière systématique, ils sont à la recherche de solutions. Et c'est ça qui est la bonne voie. Donnons-nous la main, travaillons avec rigueur dans le bon sens, soyons déterminés à faire progresser la région de Tambacounda et Dieu nous accompagnera afin que nous ayons les résultats. Mesdames, Messieurs, je vous remercie et à très bientôt pour une autre rencontre importante qui fera le progrès de notre région. Merci beaucoup. Hein? donc euh, dañuy tàmbalee ñu sant yalla sant yéen ci yenent bi sant euh, monsieur le gouverneur de la région de Tambacounda pour euh, invitation bu mu ñu defal nii pour Magal, santé, encourager tamit suñuy collègue arbitre ñi nga xamante ne ñu ngi jógee di arbitrer finale coupe du Sénégal en même temps aussi ñenn ñoo xam kenn ki jigéen koo xamante ne

ñu mën am ay arbitre fi ci département Tamba yëpp ñu ko tambalé di former ay arbitre ci département Koupentoum installé nañ fofu sous commission nga xamante ne ñoom si seen département Koupentoum ñom ñoy taxaw gérer lepp luy match ñom ñokay arbitrer tambalé tam nañu tamit liggéey bi ci département Goudiri euh, amna ay euh, jeunes yu jóg sur fonds propres ñu sollicité ñu nous ñu au wu dem Formellement, nous ñu ngi leen suivre examen examen théorique nous examen nous donc nous euh, niveau central commission centrale des arbitres nous installé euh, commission sous commission des arbitres mu département bu euh, Bakel Bakel dafa xaw metti parce que jot nañu tambalé ay waxtaan chaque fois comme ñun nekkuñu fa téléphone la Le euh, président bi a été déplacé pour rencontrer dem rencontrer président conseil départemental rencontrer euh, euh, les élus locaux pour jéem a nous naka la former ay arbitres Bakel pour ñu puissent ñu le programme examen national Nous avons mis nous mettre sur pied au niveau de Bakel sous commission des arbitres Ce bu amee daf ñuy leer ni ligue régionale bu Tambacounda bu euh organiser ay match manam duñu soxlo jël yenn arbitre Tamba wala Koupentoum yóbbu ba Bakel wala jëlee ba euh, ay arbitre Tamba yobulen leen Goudiri day fekk ñom ñi jege dañuy jël fi rek envoyer leen ñu dem gérer match bobu té lolu bu manam maanaam dafay oyofal lu bëre keesu euh, ligue régionale de football maanaam sen dépense tamé day wàññeeku. Tamba ñata arbitre la fu ñu toll nii ñu ngeeg euh, téeméer ak lu tegu ci ay arbitre góor ak jigéen boole ci suñuy doyen ñi nga xamante ne ñu ngi leen di woowee ay assesseur maanaam ñoom ñoo chargé encadrement euh, ak suivi arbitre yi. C'est